Bienvenue à tous au forum de la presse du studio Kalongo de ce vendredi 22 octobre 2021. Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux comprendre les principaux faits ayant marqué l'actualité de la semaine. Cette semaine, les sujets ayant dominé l'actualité et qui ont retenu notre attention sont la situation de la campagne agricole au Niger, à la fin du mois d'août, cette campagne est caractérisée par une pluviométrie globalement déficitaire comparée à celle de l'année dernière à la même période accompagnée d'attaques d'ennemis et de cultures. L'annonce a été faite par le ministre de l'Agriculture dans une communication du Conseil des ministres du 14 octobre dernier. Ensuite, nous parlerons du manque d'eau pour les maraîchers de Tabelot et l'invasion des criquets dans le département de Kirozérine, région d'Agadez. Une situation qui contraint certains producteurs au chômage. Enfin, de la culture pour évoquer le lancement de la 27e édition du, du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO qui se tient du 16 au 23 octobre 2021 à Ouagadougou au Burkina Faso. Le Niger participe à cet événement pour analyser ces différents faits, nous recevons dans ce studio El Haj Mohamed Suleiman, journaliste Niger Inter. Bonsoir El Haj Mahmoud Suleiman. Bonsoir. Memouna Diado Amadou, journaliste freelance. Bonsoir Memouna. Bonsoir Fatih. Et Ousseini Issa, journaliste euh, freelance. Bonsoir Ousseini Issa. Bonsoir, à la présentation, Fatih Zakari. L'analyse de la situation de la campagne agricole euh, au Niger euh, par les services euh, compétents fait ressortir qu'à la date du 30 septembre 2021, jusqu'à 118% des postes pluviométriques suivis sont déficitaires. Cela s'explique donc, note le rapport du ministère de l'Agriculture, d'une part par des perturbations enregistrées dans les cycles des pluies et d'autre part par la situation phytosanitaire qui est marquée par des infestations de plusieurs ennemis à deux cultures. Je commence par euh, M. El Haj Mohamed Suleiman. Quelle lecture faites-vous de la préévaluation de la campagne agricole présentée par le ministre de l'Agriculture lors du Conseil des ministres du 14 octobre dernier? la tendance, euh, c'est que la situation euh, risque d'être euh, déficitaire compte tenu de tous les alliés que vous venez d'évoquer, une pluviométrie qui commençait à retard. Ensuite, il y a eu donc les attaques des ennemis de, de culture. Mm-hmm. Euh, mais vous savez, c'est des situations aussi qui ne sont pas étrangères. Euh, souvent, une mm. année est bonne, mm. une année est déficitaire. Donc, bon, l'État est habitué à cette façon de gérer. Donc, le plus important, mm-hmm. euh, c'est que c'est les mesures à prendre donc, pour gérer donc, les situations. Mm-hmm. Euh, parce que il euh, y a des poches justement euh, où ça peut ça peut paraître un peu plus difficile où on pourrait vraiment si on y prend garde faire face à des catastrophes je veux dire que la crises alimentaire vraiment aiguë qui risque effectivement de frapper les populations avec aussi l'insécurité qui même effectivement s'il y avait de la pluie mhm ce n'était pas gagné d'avance que les gens puissent travailler la terre dans des conditions euh, de sérénité parce que vous ne pouvez pas euh, aller au champ lorsque vous risquez de perdre euh, votre vie. Donc bref, je pense qu'on a suivi comme le président de la République déjà donné un peu son aperçu, en tout cas ce qu'il envisage de faire. On mhm. pense que véritablement, l'information, c'est aussi le pouvoir, effectivement, à partir du moment où déjà par anticipation, ils ont eu à avoir les, donc les données. Mhm. Donc on pense que euh, les dirigeants, effectivement, comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Mhm. Donc c'est véritablement. Et j'ai entendu, le président a fait l'appel non seulement aux, partenaires, mhm, effectivement, donc de venir en aide pour gérer cette situation. Donc c'est connu, il y a donc des structures de gestion des catastrophes, de catastrophes mhm. que ce soit des crises alimentaires. Donc tout ce truc euh, doit être mis en branle, euh, l'apport donc de l'État lui-même et aussi des partenaires. Finalement, c'est un cycle donc Éternel. Euh, la, difficulté aussi, c'est euh, le changement climatique qui est une réalité. Mhm. Parce que quand vous essayez de voir euh, par année, vraiment, on, fait face vraiment à des situations souvent vraiment très, très difficiles. Donc, je pense que pour faire court, mhm. on ne peut que espérer véritablement un peu plus de solidarité au niveau donc, national et international, en tout cas. Oui, bon, je ne peux que suivre également euh, ce que Alège vient de dire, mhm. parce que c'est une réalité, comme il a dit. Euh, déjà, il y a le changement climatique. Tout le monde sait que c'est les effets donc, du changement climatique qui a amené cela. Mhm. et, même dans les zones où la pluie a été abondante, euh, à cause de l'insécurité, ces, populations n'ont pas pu, en tout cas, travailler la terre convenablement par peur, justement. Et, ensuite, il faut également euh, noter les ennemis de culture, mhm. les criquets et autres euh, insectes, mhm. en tout cas, euh, qui ont déstabilisé complètement les zones de culture mhm. à certains endroits. Et il faut donc, comme il l'a souligné, aujourd'hui, on doit surpasser ça. C'est quoi surpasser ça Parce que nous sommes déjà habitués. Nous sommes déjà habitués à des zones, et euh, à une année abondante et une année qui n'est pas abondante. Maintenant, c'est les mesures d'accompagnement l'État doit se focaliser sur les mesures d'accompagnement parce que déjà les échos, tout le monde sait que la campagne agricole a été déficitaire. Donc maintenant, c'est les mesures d'accompagnement. Et les mesures d'accompagnement, c'est quoi Revenir sur le prix modéré, la vente euh, des céréales, à prix, modéré, euh, pour pouvoir soutenir ces populations. Et comme euh, l'aide également de l'extérieur également est attendue par les partenaires techniques et financiers. Donc pour pouvoir épauler les trois mois ou les six mois à venir pour que ces populations puissent vaquer normalement à, euh, à leurs besoins et, également être à mesure quand même, parce que quand une population est déficitaire, quand la campagne est déficitaire, c'est vraiment euh, un problème, une situation alimentaire qui est là. Donc sauver le peu qu'il faut sauver et également les accompagner avec l'aide. Hussein est-ce que la production de cette année euh, peut répondre aux besoins des populations quelle production Au mois de septembre, j'étais dans la région de Tilaberi. Mhm. J'ai pu constater, j'ai discuté avec des gens, j'ai pu constater l'ampleur l'ampleur en train de la crise, pratiquement en septembre, fin septembre, je vais dire, parce que c'est dans la deuxième quinzaine du mois de septembre, le mille, même là où ça a grandi, c'est à ras le sol. Là où vous allez trouver un peu, ça a commencé les piaisons. Il n'y a plus de pluie. Et moi, j'ai dit, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe parce que tout simplement, il faut bien se poser des questions. Mhm. Moi, changement climatique, le paysan, le paysan là, il connaît les signes. Quand ça ne va pas, déjà, il connaît les signes. On a fait des initiatives dans ces pays. On a comme l'impression que c'est juste il faut s'attendre, un pays sahélien comme le Niger, il faut s'attendre de manière périodique ou du moins de manière régulière à des crises. ou parce que la pluie n'est jamais. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Mm-hmm. Il faut tendre aujourd'hui vers les cultures irriguées. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est ça la solution. Considérez que la pluie, là, oui. Ça va permettre de générer, comme avait dit, créer les conditions pour que les gens puissent trouver à manger en abondance et tout et tout. Se mettre dans cette logique-là. Jusqu'ici, on est dedans. Il faut trouver des mécanismes pour développer l'agriculture irriguée, pour pouvoir produire en abondance. Même le mil peut être produit de manière irriguée. Même le mil on est confronté déjà les années précédentes à cette situation. On est encore confronté cette année de manière plus drastique mhm. à la situation de crise alimentaire qui est là. Quand les gens viennent, c'est un discours feutré. Non, il n'y a, pas machin, c'est modéré. Non. Partout dans le pays, vous interrogez les paysans, ils vont vous dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pratiquement absolument rien du tout. Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est politique agricole là, c'est pour réellement développer le monde rural. On le dit, on crée des choses, mais on n'a pas l'impression que c'est pour effectivement soutenir le monde rural à envisager d'autres possibilités de production. C'est des gens qui sont assis dans des bureaux, qui prennent l'argent, qui captent l'argent, qui se sucrent les paysans sont abandonnés à eux-mêmes. Allez-y, faites le tour dans tout le Niger, là, les huit départements. là. Si vous faites le tour, vous allez interroger les vrais paysans. Nous sommes dans un contexte de petits producteurs. Nous ne sommes pas dans un contexte de euh, machin. Même dans le cadre de cette politique, les tracteurs et autres, moi, j'ai l'habitude de dire, quand on prend les tracteurs, les mhm. intrants et tout, aujourd'hui, par exemple, l'engrais, on a libéralisé la commercialisation de l'engrais. Mhm. C'était la caïma. Maintenant, on l'a abandonné, on dit machin, dans le cadre des politiques, machin. Le paysan, quand est-ce qu'il a trouvé Parce que quand on dit vente à prix modèle, Maïmouna, il y a des gens qui peuvent te faire une semaine, deux semaines sans gagner 500 francs dans les campagnes là. Et là, je Mohamed Suleiman. au vu donc de cette euh, situation, faut-il euh, craindre une éventuelle famine euh, euh, ben, Je pense que c'est un peu tôt de parler de famine. Il y aura certes une mhm. crise euh, alimentaire. Du reste, toutes les années, hein. mhm. toutes les années, vers la fin d'année, parce que tout simplement, notre mode de production mhm. fait que quand vous allez regarder les moyens de production, nous continuons encore à utiliser la roue et la hilaire. Il est grand temps d'étendre vers la mécanisation. Donc mettre les moyens, parce que tout simplement, aujourd'hui, en réalité, il y a suffisamment de terres, mais sans que nous continuions à travailler avec la roue et la hilaire, mhm. nous ne pouvons pas produire comme ça se doit. Donc, euh, je pense qu'il euh, y aura, certes, euh, comme toutes les autres années, des crises alimentaires. Mhm. C'est important ce que Seigneur a dit, et je pense que l'État le fait. Il y a des zones où, effectivement, ce n'est pas une question de vente de prix à, modérer, c'est des, dons gratuits qu'il faut donner à certaines populations parce qu'elles mhm. qu'ils n'ont pas de moyens d'acheter. Et je pense que dans le dispositif de l'État, il y a justement cette, surtout vers la fin, à la période de soudure, mhm. où les gens n'ont rien, effectivement. Cela veut dire que quand la production globale au niveau du pays, elle est donc déficitaire. Effectivement, cela veut dire que vers cette période-là, effectivement, la situation va être plus difficile cette année. Donc, c'est pourquoi je pense que euh, l'État donc euh, on doit veiller. Et ce que j'ai entendu, en tout cas, le président de la République a, envisagé, si effectivement, euh, comme d'habitude, l'État mm. prend ses dispositions et que mm. les partenaires vraiment viennent en aide, mm. on pense qu'on pourra éviter euh, la famine, mm-hmm. surtout effectivement, comme il a dit, quand même de plus en plus au Niger en tout cas. donc, dans le cas de Troisième, effectivement, les productions, donc, donc dans le cadre donc, de, de, de, en tout cas, de, euh, euh, tout, à, tout, à, fait, quoi. les gens en tout cas produisent euh, pendant la, la, saison en tout cas donc c'est mm-hmm. sèche. Bon, donc je pense que euh, de plus en plus on voit effectivement des, des, fonctionnaires, de en tout cas des gens qui commencent à apprendre à être des producteurs. Mhm. Mais je pense que au fond, mhm. ces questions, en tout cas, qui, viennent chaque, mhm. de, en tout cas, de crise alimentaire, ce que j'ai dit, euh, pour qu'on puisse vraiment euh, le dépasser, ça, ça, dépend de l'État. Parce que j'ai vu au niveau de la CAIMA, euh, la question des mécanisations, on avait un moment alors, importé, en tout cas, mais on se rend compte à l'évidence que c'était une affaire où le paysan moyen ne peut pas accéder donc, euh, au, marché. De, mhm, cela veut dire qu'il faut une politique euh, mhm. où, parce qu'en vérité, qu'est-ce que ce qui se passe Ceux qui vont s'approprier ce matériel, mhm. souvent c'est des, des, des, hommes hommes politiques. voyez, leur vocation, ce n'était pas aussi de faire de la, production. Mais si c'est les vrais vraiment euh, producteurs paysans qui vont, qui vont accéder en tout cas à ça, on va effectivement voir, changer notre notre mode de production. Mhm. Parce que tout simplement, il y a aujourd'hui des gens qui ont <coughs> suffisamment de, terres, mais ne peuvent pas, avec la où tout cultiver. Mhm. Donc, ils ont besoin donc, de, le faire et ça demande beaucoup de moyens. Donc, je pense que c'est cela. Moi, je pense que si on veut véritablement sortir de alimentairement, mhm. il va falloir justement passer à la, à la mécanisation. Et ça, donc, il appartient au ministère de l'Agriculture, donc l'État de songer véritablement à changer radicalement, en tout cas, notre mode de production. Mais il faut, également, euh, après euh, le changement de mode euh, de, production, il faut également essayer de changer le mode alimentaire. Parce que, en fait, au Niger, mhm. on a comme l'impression que on ne vit que du mil, du maïs, du sorgho. Donc, c'est les trois bases alimentaires, en fait, ici au Niger. Mhm. Il faut diversifier cette alimentation, diversifier cette production en essayant, comme l'a dit Ousseini, d'aller vers les cultures irriguées. C'est très important mhm. parce que nous avons trois, trois mois de saison pluvieuse. Et qui te dit que dans trois mois de saison pluvieuse, que nous, avons, nous aurons tout le temps les trois mois de saison pluvieuse. Ça peut s'arrêter à deux mois de saison mhm. pluvieuse avec les changements, climatiques. Mhm. Donc il faut amener les Nigériens à aller vers la culture irriguée pour s'auto-suffire en alimentation, mm. pour que ça soit une, alimentation complète. Ça veut dire complète. C'est vrai, tu peux avoir le mil, tu peux avoir le maïs, mais quand tu as une alimentation aussi euh, diversifiée, mm-hmm. que tu peux accompagner avec le mil et le maïs et le sorgho, ça serait très disponible aussi. Ça, serait très intéressant, en tout cas. Restons toujours dans le domaine de l'agriculture pour aborder la deuxième partie du forum de la presse. La rareté des pluies enregistrées dans la région d'Agadez cette année a eu des conséquences chez les maraîchers de Tabelo dans le département de Kirozine. Le tiers euh, des producteurs euh, seraient forcés au chômage faute d'insuffisance d'eau pour arroser les cultures, euh, ce qui compromet la production d'oignons en cette année. Ousseini Issa, quelle alternative pour ces producteurs de cette localité Tu il n'y a pas d'eau. <laughs> c'est quoi l'alternative Ils tombent dans le chômage c'est leur activité produire l'oignon, vendre, mhm. faire des fruits, des légumes et tout et tout. Mais quand tu a pas l'eau ils ont une, quelqu'un qui est tabelote là, mhm. hmm? ingel, tout ça là. Mais quand tu a pas l'eau, parce que tout simplement il n'a pas abondamment plus, ça veut dire que les mhm. coups d'eau, parce que c'est des zones où c'est souvent c'est des coups d'eau qui viennent alimenter là où ils s'approvisionnent les, les, comment on appelle ça, les oasis et autres. Bon alors, il n'y a pas d'alternative. C'est le chômage. Ou bien C'est autre chose. C'est pas autre chose, c'est le chômage. Mais moi, je vais dire une chose. Je vais dire une chose. Mhm. on ne peut pas prendre un cas spécifique. Là-bas, c'est des oignons. qui parlent. L'oignon, là, on mange, on mange ça dans la sauce ou dans d'autres préparations. Mais quand là où même le mil, le sorgho, mais vient de le maïs et autres, il n'y en a pas. Eux-mêmes, ils mangent le miel, le sorgho et autres. Mais quand il n'y a pas, c'est l'oignon là, même quand c'est produit, c'est pour aller vendre, non. S'ils n'arrivent pas à évacuer, souvent ça se gâte. Comme d'ailleurs les fruits qu'ils mhm. produisent là-bas. Tout ce qui est approvisionné ici, dans cette zone-là, ici à la place tout le monde c'est des gens qui viennent de vers là-bas avec des cargaisons. Il faut un accompagnement de l'État. Oui, comment mais, attends, l'État est là pour accompagner. L'État doit les accompagner. Comment l'État peut accompagner donc euh, ces producteurs qui sont en chômage Ils sont en chômage. <laughs> il faut leur faire des pensions. Mais il faut leur donner quand même, euh, euh, apporter quelconque de soutien en termes de vivre, en mm. termes de ceci, cela. Mais comment l'État peut faire L'État peut fabriquer la pluie. est l'État peut fabriquer la pluie C'est pour dire que nos politiques agricoles, là, il mhm. faut les réinventer. On ne peut pas continuer dans le même schéma en considérant que c'est le ciel, mhm. la manne, là, vous parlez de changement climatique, changement mhm. climatique. Mais il y a des gens qui ont dépassé ces questions-là. En Libye, du vivant de Kadhafi, il a transformé le désert en mare. N'est-ce pas Nous, nous sommes une réserve d'eau importante. Une importante réserve d'eau dans le désert là. L'Iraser, là, on en mm. parle depuis combien d'années Qu'est-ce qui est fait pour développer l'Iraser Pourquoi doit-on attendre que ce soit quelqu'un d'autre Quelqu'un qui va venir de chez lui, mm. d'ailleurs, pour nous amener des appuis. Parce que moi, je suis contre ça. Parce que l'aide au développement, ça n'a jamais développé qui que ce soit. Qui que ce soit dans ce monde-là. Et on est dans ce schéma. on considère que non, il faut faire un plan de soutien. Plan de soutien par rapport à quoi il faut qu'on invente nous-mêmes nos propres moyens de production, mm. n'est-ce pas Pour pouvoir atteindre l'autosuffisance, mais c'est ce que l'autosuffisance mm-hmm. alimentaire. Maintenant, l'excédent, on peut se mettre dans une perception de commercialisation. Mais toujours considérer, parler plus de machin, ils vont venir, c'est euh, euh, euh, plan de soutien, plan global. Chaque <laughs> année, en bonne saison comme en mauvaise saison. Quand est-ce qu'on va s'en sortir eh, C'est une catastrophe pour tout le monde. Mais est-ce qu'on doit rester pendant combien de décennies on est dans le même schéma là Comme si, eh, avec toutes les réflexions, toutes les études, tout ce qui est en train d'être fait, jusqu'ici, on n'a pas trouvé les mécanismes nécessaires pour nous permettre de sortir de la dépendance. Même pour manger là, il faut que quelqu'un vienne avec, il va aller acheter des, stocks de, qui, ont fait 10 ans dans des magasins, 20 ans. Comme le riz que vous mangez là, les histoires thaïlandaises. <laughs> nous, allons après écouter même Nigado. Bon, euh, je suis euh, parfaitement d'accord avec ce, ce que Hussein a dit. Quand Hussein parle qu'il euh, faut jamais, il faut qu'on cesse d'attendre l'aide euh, au développement, l'aide alimentaire, ça va venir aujourd'hui, ça va venir demain, mais il faut euh, également voir qu'on n'a pas de système de retenue d'eau, comme dans certains pays où ils profitent avec la saison pluvieuse pour faire des stocks euh, on appelle ça le système de retenue d'eau. Donc nous, nous n'avons pas ce système de retenue d'eau. Parce que si nous avons peut-être ce système de retenue d'eau euh, à Tabala, euh, même si la pluie a été déficitaire, je pense que peut-être avec le peu qu'on aurait pu mettre de côté, mhm. pourrait peut-être servir à, les aider à irriguer donc euh, ces productions. Mais voilà, donc c'est, c'est, on revient toujours à la case de départ, mhm. c'est de revoir vraiment le système agricole que nous, nous avons aujourd'hui au Niger. Ça fait plusieurs années que c'est le même système que nous sommes en train de faire. Mhm. Donc il faut essayer de changer ce système et on ne cessera de le dire. Le système archaïque ne vaut rien. Mhm. Il faut aller vers le modernisme. Nous avons des nappes souterraines. Il faut valoriser ces nappes souterraines. Il faut permettre que ces nappes souterraines, à côté de ces nappes souterraines, qu'on puisse créer les, euh, euh, des emplois pour ces jeunes qui, euh, en, faisant la production irriguée, pourront accompagner la saison déficitaire. Donc, je pense également que aujourd'hui, il y a, il faut également accompagner ces gens-là en créant des forages, en créant des forages hydriques qui peuvent également les soutenir. Parce qu'elle dit quelque chose de très intéressant. Mhm. Moi, j'ai connu, je suis allé au Burkina, c'était Alto Volta, avant Sankara. C'était aride, plus aride que nous. Il n'y avait pas de point d'eau, il n'y avait pas de retenue. Mhm. Quand Sankara est arrivé, mhm. la politique qu'il a initiée, un village, un bois, un village, un marigot. Ils n'ont pas de fleuve l'eau de pluie là qui tombe là, c'est ça qu'on retient. Qui mange le poisson du Burkina Faso. On a un long fleuve là, qui fait mille et quelques combien, 700 et quelques kilomètres qui traverse, n'est-ce pas Il y a la Komadougou Yobé qui est là. Il y a d'autres mares, des mares comme ici, à, comment on appelle ça dans la région de Tawaïbo Haman. On en fait quoi Quand Tanja est arrivé, il a cherché à développer ses points d'eau et tout et tout. Mais c'est devenu quoi aujourd'hui Autour de ce point d'eau, il y a des points d'eau qu'il a créés lui-même, Tanja, qu'on a ensemencé, on a mis du poisson et ça produit du poisson. Mais est-ce que ça a été abandonné Est-ce que cette politique-là s'est poursuivie le problème, le mm. problème dans ce pays, c'est que celui qui vient, même quand la politique de l'autre là est bien, au lieu de continuer dedans, on considère que non, non, non, il faut rompre avec, il faut faire autre chose. On ne peut pas développer quand, mais quand il y a une bonne politique qui est là, quand il y a déjà un soutien qui est là, et qu'on pense qu'il faut abandonner ça parce que c'est l'autre. N'est-ce pas mm. Parce que c'est l'autre. Dans quel pays on s'est développé comme ça Dans quel pays au monde Il faut tenir compte de ce que l'autre a fait. Mm-hmm. Si à, à améliorer, on améliore et on avance. Mais on ne va pas dire non, on fait table rase. Tout ce qui a été fait dans l'éducation, c'est pas ce qu'on a entendu. Quand j'ai entendu la dernière fois, on dit on revient à, à service civique. J'ai dit, mais on retombe dans le. Non, mais j'ai fait cette digression parce que qu'on va retomber dans les mêmes bêtises. Deux ans. Deux ans. La personne va se trouver au bout de deux ans encore dans la rue. Ils vont s'accumuler, ils vont euh, s'entasser ils vont créer un syndicat aussi. <laughs> Si c'est la volonté, c'est de créer les contrats. Le syndicat Bon, non, mais je fais le parallèle. On mm. laisse tomber une politique, on engage une politique où mm-hmm. on considère que tout le monde, quiconque va venir là, mm-hmm. il va continuer dans le même schéma. Mais si ce n'est pas ça, on va toujours tourner en rond. On est en train de faire ça aujourd'hui. Mm-hmm. Dans l'agriculture, on est en train de tourner en rond dans l'éducation, on en rond. donc, euh, vraiment, par rapport à la euh, situation de, de euh, c'est un problème réel et ça va se centrer à Niamey très bientôt. Parce que vous savez, les mhm. producteurs de l'Aïr, hein, mhm. tout ce que vous voyez comme pommes de terre, les oignons, les, fruits et légumes, les oranges, les tangelots, bref, les pommes de terre, les raisins, ça vient de là-bas. Donc si maintenant ces ne, ne produisent pas, cela veut dire que bientôt, on va sentir la, la flambée des prix de ces produits. Donc vous voyez, la, la, situation va se dans, dans, nos, poches très bientôt. Euh, C'est-à-dire que, euh, véritablement, j'ai lu euh, l'article de Air Info, justement, qui, vraiment qui, qui interpelle. C'est une situation générale où il n'y a pas d'eau. Mhm. Donc ces gens se retrouvent vraiment en inactivité. Euh, que faire justement C'est euh, C'est la question. Mhm. On peut peut-être, euh, comme l'a dit Memouna, donc essayer de voir comment peut-être faire du pompage dans des zones où il y a de l'eau. Effectivement, comment l'État peut aider ou bien les partenaires mhm. à foncer un peu à des techniques d'arrosage plus économiques pour qu'ils puissent continuer à, produire. Mhm. sinon, effectivement, c'est très délicat euh, lorsque, en tout cas, une zone pourvoyeuse, et euh, c'est là dit tout à l'heure, peut-être va falloir ceux qui sont disponibles les, à venir travailler au bord du, fleuve, parce que vous savez, comme c'est des réalités aussi souvent, c'est des expatriés qui viennent travailler aussi. Eh ben, dans, tous les cas, euh, c'est dire que c'est assez délicat. Mm-hmm. Euh, c'est assez délicat. La cause, elle est naturelle puisque c'est euh, l'eau qui, qui, qui, est en train de C'est aussi peut-être euh, l'autre fois, c'est le changement climatique qu'on est en train encore de, de vivre. Donc, je pense que véritablement, les autorités sont suffisamment informées. donc, les mesures à prendre, donc on, attend de voir véritablement, mais nous pensons que c'est une situation qui va impacter l'économie euh, nationale. Uh-huh. Euh, donc, par conséquent, euh, on espère bien que on va trouver des solutions alternatives pour permettre, en tout cas, à ces producteurs uh-huh. vraiment de continuer à ravitailler le pays parce que, bon, en réalité, certes, ils gagnent de l'argent, mais aussi le pays, ici par exemple, en à pour ne parler que de, l'exemple de Niamey, quand vous regardez un peu, comme il a dit, à, la place Toumo, vers le, garage mairie, euh, un peu vers la, de la francophonie, c'est justement ces gens qui arrivent à ravitailler ces marchés. Euh, et justement, lorsqu'on vient effectivement à une rupture de ces productions, mhm. cela veut dire que véritablement, le panier de la ménagerie va, va, le, va le sentir absolument. Mhm. Donc, euh, vivement en tout cas pour. Hein? Vous allez débourser de l'argent Cela <laughs> dans le marché. Tanjalo pommes de terre. Comment on appelle les autres produits là Ça, c'est pour les bourgeois. Il y en a qui se préoccupent aujourd'hui le mille. N'est-ce pas C'est le mille. On parle de Non, leur situation. Mais aujourd'hui, c'est à l'échelle nationale la production sur le plan céréalier. C'est ça le véritable problème. S'il n'y a pas à manger, un paysan peut te faire un ensemble manger orange. Pomme de terre, là, on n'en parle même pas. Bon, alors, qu'est-ce qui est prioritaire aujourd'hui le troisième sujet de ce forum euh, de la presse euh, du studio euh, Kalangu et c'est pour euh, parler euh, de la 27e euh, édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision du Ouagadougou Fespaco, ouvert le 16 octobre 2021 et qui prendra fin ce samedi 23 octobre. Le Niger est présent à cette compétition du 7e art avec le film de la réalisatrice Zender de Aisha Maki en compétition dans la catégorie documentaire. Il est à noter que le Niger s'illustre ces dernières années en documentaire avec les réalisatrices Aisha Maki, Amina Awera et euh, Amina Mamani dont les films connaissent des succès dans les festivals internationaux. Donc, euh, comment donc avez-vous accueilli la participation du Niger aux compétitions de FESPAP D'abord, je dis bravo parce que ce sont des femmes que tu viens de citer. Ça veut dire que mm-hmm. les femmes se battent au quotidien dans euh, le 7 art. Mm-hmm. Et vivement que nos ambassadrices euh, nous reviennent avec des prix. Et je suis sûre, je suis sûre que, bon, parce que j'ai eu à visionner ces vrais Zender mm-hmm. euh, de Aïcha Maki, que j'ai d'ailleurs trouvé intéressant. Intéressant parce que ça part de la jeunesse actuelle au niveau donc de Zinder, euh, de la dépravation des mœurs et ainsi de suite. Donc euh, c'est vraiment encourageant. C'est vraiment encourageant, c'est d'encourager nos cinéastes à, à, faire plus de créativité, mhm. aller dans le sens de multiplier les créations. Mhm. Euh, comme tu l'as dit, ça fait un bout de temps que euh, le Niger présente seulement des films euh, dans la catégorie documentaire. Documentaire. Donc, vivement qu'on surpasse également cette catégorie documentaire mhm. pour aller également, pourquoi pas, à concourir pour euh, les talents du Yénéga. Mhm. Parce que ça fait un bout de temps qu'on ne parle plus du Niger à l'étalon du, euh, mhm. Et c'est très important quand on sait que le FESPACO aussi a démarré et ici au Niger. C'est quelque chose qui devrait, et normalement, euh, nous avons euh, regardé le Burkina Faso mhm. prendre le FESPACO. Mais le FESPACO de ce que moi j'aurais appris, devrait plutôt euh, revenir au Niger, au Niger, parce qu'il y a eu des cinéastes vraiment qui se sont battus, qui ont eu l'idée de créer euh, le FESPACO. Mais bon, comme il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de suite mhm. logique, mhm. de soutien aussi, euh, ça a dépassé nos frontières pour aller de l'autre côté. Mais maintenant, avec euh, les Omar Ganda qui ne sont plus de ce monde, les cinéastes, les grands, grands cinéastes qui ont en tout cas concouru mhm. au niveau donc... du FESPACO, vivement que la jeunesse, parce que ce que nous voyons ici au Niger, c'est plutôt la jeunesse aujourd'hui euh, qui s'intéresse à ce cinéma. Donc il faut les accompagner, il faut les encourager, il faut leur donner l'essentiel de ce qu'ils peuvent, euh, qu'ils ont besoin pour pouvoir produire. Et peut-être espérons que l'année prochaine, ou bien parce que nous ne voulons pas que ça soit aussi euh, de très longues années, que les talents du Niger, que les talents de Yénéga deviennent aussi un film d'un cinéaste nigérien puisse concourir, même si on ne, peut, on ne puisse pas avoir euh, les talents, mhm. qu'on puisse dire voilà un film qui a été qui répond aux critères mhm. donc euh, pour aller euh, concourir pour la participation donc à ce fameux étalon du Niga. Donc vraiment c'est ce que j'ai à dire et nous sommes de tout cœur donc mhm. avec nos ambassadrices et vivement qu'elle nous rapporte au, moins des trophées. Leïs Suleiman, êtes-vous optimiste quant aux productions hein, de nos réalisateurs euh, Je suis optimiste euh, parce que j'ai, cela mm. euh, selon les échos, en tout cas, le film de Aïcha Maki mm-hmm. a fait impression. Mm euh, moi de faire quelques observations. Effectivement, le Niger, de plus en plus, est présent dans le film documentaire mm-hmm parce que c'est le film de, fiction mhm. euh, donc qui postule pour le, les talents des donc, euh, de plus en plus, justement, nos cinéastes, en tout cas, développent euh, l'aspect documentaire. Mhm. pourtant, je constate que le vieux Djangare Mega fait des efforts, mhm. mais apparemment, il est son propre producteur, il n'a pas de producteur euh, peut-être à, titre. Je ne sais pas en tout cas qu'est-ce qui fait problème, mm-hmm. mais en tout cas, la consommation, moi, quand je regarde ces films sur, euh, en tout cas, les télévisions, je suis très. Parce qu'ils posent des problèmes de, de société, mm-hmm. des questions essentielles d'actualité. Mm-hmm. Bon, c'est autre chose, mais je constate qu'en tout cas, ces films ne sont pas primés de l'autre côté. Pourquoi Je me pose euh, beaucoup, de questions. Donc, en tout cas, selon nous ceux qui sont là-bas, en tout cas, les confrères. Ils disent effectivement, on espère bien. Dans tous les cas, demain, euh, les faits, donc, HMA euh, que ce ça va être, euh, avoir en tout cas un, en tout cas un prix, mhm. on, le saura le sera demain, donc mhm. le 23 donc c'est donc les, la fin. Mhm. donc bon, je constate que tout simplement, euh, il faut du travail parce que m'a dit un confrère critique du cinéma, il m'a dit qu'aujourd'hui aussi, il faut que nos cinéastes euh, bossent, ils mhm. travaillent dur, ils, ont vu vraiment euh, les films produits aujourd'hui, même le cinéma évolue. Donc, par conséquent, il faut se mettre à jour euh, pour vraiment produire mhm. des, films vraiment à la hauteur, en tout cas, de la compétition. Mhm. vous avez suivi par exemple ce, RFI, j'ai senti, c'est les films donc de, de, fiction qui font impression. Et j'ai senti que les anglophones sont plus cités qui soit à même justement de remporter donc les, trophées. C'est-à-dire que véritablement, euh, on a vraiment, j'encourage véritablement ces, jeunes femmes, en tout cas, euh, en tout cas tous euh, en tout cas ceux qui font des, efforts. Le le DG du CNCN, Magouri, il fait en tout cas des efforts. Je vois ce qu'il fait pour accompagner ses, confrères. en tout cas, je pense qu'il y a du boulot, comme elle l'a dit. Mm-hmm. les, les, les, de personnalités du cinéma comme au comme euh, les Inus Hussein aujourd'hui, en tout cas, qui, vient de, qui est décédé euh, il y a, donc, il presque un, an. Mhm. Donc, en tout cas, ces gens-là, des écoles de, de, en tout cas, euh, je pense que on attend véritablement que donc, la possibilité puisse vraiment aussi emboîter le pas mhm. pour qu'effectivement le Niger puisse, sur ce terrain, véritablement euh, s'imposer, comme l'a dit Mouna, parce qu'effectivement, euh, quand on parle du cinéma, les aînés en tout cas disent que véritablement ce festival euh, devait être, en tout cas, il est, effectivement, mais malheureusement, il a perdu donc de, sa patrie donc <laughs> d'origine. <laughs> Vous savez ça Est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose par rapport à donc, à, au... <laughs> à la 27e édition du moi, Moi, j'ai croisé pratiquement tout ce qu'il y a eu comme cinéaste, mhm. grand cinéaste, Mustapha Diop, Mustafa Alassane, euh, qui, fait carrément le précurseur comment, des dessins animés, pratiquement, mhm. qui a fait tout là aussi. Euh, Moussa mhm. c'est des gens que j'ai côtoyés, avec qui j'ai travaillé. Inosa le défunt Inosa Ousseini et comment il s'appelle Jingari Mega, <laughs> j'ai même eu à corriger un synopsis à un mhm. machin de film qu'il a eu parmi les noirs. je mhm. Je sais plus. <laughs> voilà. je constate que, bon, de plus en plus, bon, il y a un centre de cinématographie, il y a un machin qui a été créé, un centre qui a été créé. Mhm. Bon, il n'y a plus d'engouement. Je souhaite que celle qui est en compétition là, dans la série documentaire, mhm. puisse gagner le. Mais quand vous regardez l'état du cinéma ici, mhm. est-ce qu'il y a une seule salle de cinéma dans ce pays-là où il n'y a plus de projection dans des salles Les salles ont disparu. Mais ils vont gagner quoi Les gens qui sont là, ils se sont tous métamorphosés, ils sont devenus, dans, ils, ils se sont reconvertis dans d'autres activités. Qui va accompagner Au Burkina Faso, ça n'a jamais lâché. Jusqu'ici, il y a des salles de cinéma, de projection et tout. Ici, tout a disparu. Mais alors, on est parti, passer avec son, comment on appelle Alors, quand on veut développer, on développe dans la globalité. On ne se contente pas de dire, bon, on fait le cinéma. Quand on fait, c'est d'abord les images, c'est nos images. Il faut qu'on nous projette nos images. Aujourd'hui, il n'y a aucune salle, aucune, pratiquement aucune salle. Toutes les salles ont été vendues. Alors, dans ces conditions-là. Et le financement, quand c'est les films fiction, c'est compliqué. Mhm. C'est compliqué quand l'État n'accompagne pas. Le tout n'est pas de créer un centre, moi je l'ai toujours dit. Mhm. Parce que le volet là, on a complètement, alors que nous sommes les précurseurs. Ici, nous avons été les précurseurs. Mhm. Et jusqu'ici, les gens sont cités à référence. Le médecin Gafiré de Mustapha Diop, Mami Wata, c'est des grands films qui ont été projetés dans des salles qui ont gagné des prix. Mais c'est devenu quoi tout ça Parce qu'il n'y a pas d'accompagnement véritable. Les gens qui ont pensé faire de ça une industrie, ils se sont rendus compte que, bon, c'est quoi le modernisme les, vidéos sont mais venues. mais le, problème, c'est qu'en Occident encore, il y a des salles de cinéma. Ah Parce que c'est une industrie, c'est une activité où les gens produisent, où les salles, génèrent de l'argent, ils produisent jusqu'ici. Quand ils prennent même les centres culturels, les centres culturels, il n'y a que CCFN qui projette de temps en temps. de euh, seco est là, il y a, on peut faire des projections. Qui projette des films CCOG est là, rien. Rien. Mais alors, mais à, partir de ce moment-là, bonne chance pour notre <laughs> compatriote et l'équipe. Voilà. Parce que c'est un film euh, documentaire, mhm. c'est un documentaire sur le palais, là, les histoires de violence à Zender. Mhm. Ça, c'est bien pour montrer un peu quoi la pauvreté peut amener les gens à être dans une situation de violence extrême. <laughs> Nous sommes donc euh, au terme de ce forum de la presse des studio Kalangou de ce vendredi 22 euh, octobre 2021. Nous étions en compagnie euh, de El Haj Mohamed journaliste à Niger Inter, Memouna Gado Amadou, journaliste freelance, et Ousseini Issa, journaliste également freelance. Merci donc à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. La présentation, c'est Fatih Zakari. La technique euh, Mustafa Ayuba et la réalisation Seini Isaka. Merci, euh, au revoir. Euh, le programme continue sur le studio Calon.